le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Merci de rester en notre compagnie. Vous êtes à l'écoute du studio Kalangou, 18h15 minutes. C'est l'heure du forum. Messieurs, dames, bonsoir. Les programmes du studio Kalango, vous le savez désormais, sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Tilaberi, Arlit, Filingue et Niamey. Pour ce forum du mardi 26 juillet, voici euh, ce qui, 26 juillet 2016, voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Le cancer est en passe de devenir le premier facteur de mortalité au niveau mondial. Plus de 70% des décès par cancer surviennent dans les pays à faible revenu ou à revenu moyen comme le Niger, selon le docteur Dile Isimouya, chirurgien oncologue. On enregistre de plus en plus de nouveaux cas de cancer à tous les niveaux, détail dans quelques instants. Sur un tout autre plan, il n'est pas rare de voir des nouveaux nés abandonnés dans les rues, sur les ordures ou même parfois dans des caniveaux, un phénomène qui prend de l'ampleur au Niger. À côté de cela, il existe aussi des enfants abandonnés qui sont recueillis dans différentes structures d'accueil étatique ou orphelinat. Et qu'est-ce qu'explique la recrudescence de ce phénomène Comment vivent ces enfants abandonnés Autant de questions que nous avons posées au conseiller pédagogique national à SOS Village d'enfants au Niger. Nous en parlions hier du colloque sur le Centre national d'études stratégiques de sécurité, colloque qui se poursuit toujours au Palais des Congrès de Niamey. Plusieurs points importants se rapportant aux défis du continent africain en général et du Niger en particulier ont fait l'objet d'examens minutieux. Vous entendez le recteur de l'université de N'Djamena au Tchad, Ali Abdurrahman. Autre analyse, cette fois-ci vue sous l'angle purement militaire dans le cadre de la poursuite des travaux du colloque sur le Centre national d'études stratégiques et de sécurité c'est celle du colonel Abdou Oumarou. Il affirme que les pays africains en général et ceux du Sahel en particulier n'ont pas les moyens de leur politique. Enfin, nous parlerons de l'Organisation internationale pour la migration OIM, une série de formations techniques et professionnelles au profit des migrants en transit et admis dans le centre de l'OIM d'Agadez a été initiée par la dite institution. Cette formation vise à assister les migrants en détresse pour mieux intégrer leur communauté d'accueil. Selon le directeur du centre OUM d'Agadez, Azawa Maman, voilà pour les titres de ce forum. Très ravi de vous retrouver ce soir. Diallo Mariama Kenda, ce micro. Bienvenue à tous. Le cancer est en passe de devenir le premier facteur de mortalité au niveau mondial. Plus de 70% des décès par cancer surviennent dans les pays à faible revenu ou à revenu moyen comme le Niger. Dans ce pays, on enregistre de plus en plus de nouveaux cas de cancer à tous les niveaux. Qu'en est-il réellement de cette maladie Docteur Dile Ismouya, chirurgien oncologue, euh, répond au micro de Lauratou Ibrahim Gado. Le cancer, c'est une maladie de la cellule. Vous savez que le corps humain est constitué de plusieurs milliards de cellules et chaque groupe de cellules va former un organe comme l'appareil respiratoire pour bien respirer, l'appareil circulatoire pour que le sang véhicule les aliments qu'on mange, et l'appareil urinaire pour permettre d'éliminer les déchets, Bon, tous ces appareils-là, c'est des cellules qui travaillent ensemble pour faire une, activité pour permettre au corps humain de fonctionner. Mais quand il y a le cancer, qu'est-ce qui se passe Un jour, une cellule appartenant à cet appareil, une cellule, va perdre son fonctionnement dû à certains éléments ou des radiations ou un virus ou tout simplement certaines hormones ou certains traitements ou certains aliments. Cette cellule-là va perdre son moyen de fonctionner et va se désorganiser et fonctionner pour son propre compte. C'est comme une cellule qui se rebelle, qui devient folle. Quand est-ce qu'on peut parler réellement de cancer on parle de cancer, donc quand cette cellule va se, sera multipliée de manière euh, désordonnée, elle va donner donc d'autres cellules qui sont anormales, des milliards de cellules. Et quand elles vont s'assembler, ces mêmes cellules vont former ce qu'on appelle une masse, une tumeur. C'est ça qui devient un cancer. C'est ce qu'on appelle le cancer. Donc une maladie qui a démarré au niveau de la cellule et aura donné des milliards de cellules qui vont s'organiser, former une boule, une masse au niveau d'un organe. Par exemple, si c'est le sein, cette boule-là, elle sera dans le sein. Mais la différence du cancer et de ce qui n'est pas un cancer, parce que toutes les boules ne sont pas des cancers, c'est que cette boule-là, elle va commencer à envahir le sein progressivement. Petit à petit, elle va envahir tout le sein. C'est comme si elle va détruire tout l'organe là où elle se trouve et elle ne s'arrête pas là elle va envoyer des cellules dans le sang, dans les vaisseaux lymphatiques, et ces cellules-là vont aller dans un autre organe. La maladie va commencer au niveau du sein, par exemple, et on va la retrouver plus tard au niveau du foie, au niveau du cerveau, au niveau des poumons. Et ça, ça s'appelle un cancer généralisé. C'est ça le problème du cancer. C'est pas comme une tumeur bénigne qui n'est pas un cancer, une boule aussi mais qui n'est pas un cancer, qui va rester, elle naît dans un organe, elle meurt dans cet organe alors que le cancer, il naît dans un organe du corps humain, mais il se propage dans tout l'organisme. Et vous savez que quand elle va commencer à aller dans tout l'organisme, elle détruit déjà là où elle est née et elle va commencer à détruire les autres organes. Quand on n'a pas de foie, le foie est détruit, on ne peut pas vivre. Les reins ou le cerveau est détruit, les os sont détruits, c'est des douleurs, c'est des fractures, etc. C'est ça le problème du cancer. Le cancer se généralise et après on peut arrive à un stade où il n'y a plus de vie. Docteur, le cancer concerne-t-il les femmes et les hommes Le cancer, il concerne tout le monde. Je peux vous dire même plus loin. Vous voyez, par exemple, au niveau des, arbres, même, même des végétaux, il y a des végétaux qui font certaines formes de cancer. Ça concerne tout le monde. Compris les enfants Hommes, femmes, enfants. Il y a-t-il divers types de cancer Et ça concerne tous les organes. On ne peut pas dire que même le cheveu, même sur le cheveu, même sur la peau, tous les organes, l'ongle, tous les organes peuvent faire des cancers parce que tous les organes sont faits de cellules et toutes ces cellules un jour peuvent perdre le contrôle. Une cellule peut perdre le contrôle dû à plusieurs milliers de facteurs. Certains on les connaît, certains on les connaît pas, mais je vous dis que le cancer peut atteindre tous les organes et tout âge confondu. Tous les organes peuvent faire les cancers, tous. Les plus fréquents au Niger, c'est le cancer du sein, c'est le plus fréquent en termes de nombre. Je crois que c'est depuis 1996 les cancers qui sont en tête en, termes de nombre. Tout sexe confondu, c'est le cancer du sein. Alors, qu'en est-il réellement du cancer du sein Le cancer du sein, c'est comme tous les cancers, quelque chose qui se développe au niveau du, du sein d'abord, chez l'homme comme chez la femme, parce que les hommes aussi ont un sein, même s'il est trop petit, ils sont sujets à des cancers. On a eu des cas de cancer chez l'homme. Donc ce cancer-là, malheureusement, c'est le plus nombreux et il fait des ravages. C'est un cancer, je vous dis, qu'on ne peut pas prévenir. On ne peut pas le prévenir parce qu'on ne connaît pas exactement sa cause. Mais une seule chose est certaine, c'est qu'on peut éviter de le découvrir tardivement. Comment Chez la femme, elle fait une mammographie. À partir de 45 ans, chaque femme peut faire la mammographie. Une mammographie, une, une radiographie des seins qui va trouver une anomalie de la radio avant même qu'on sente la boule. Donc ça, c'est l'idéal. Mais une jeune femme doit connaître son sein. Par exemple, dès 20 ans ou 25 ans, chaque femme, elle touche son sein. Elle revient devant le miroir, elle regarde son sein. Si elle voit une tache dessus, sur le mamelon, une tache, une plaie qui ne guérit pas dessus, ou bien elle touche le sein à l'intérieur, elle sent quelque chose. Pas tous les jours, mais une fois par mois, par exemple, après les règles, elle touche son sein. Quand le sein est moins lourd, elle touche et elle sent. Si elle sent une anomalie, elle va consulter. Le médecin va l'examiner. Si nécessaire, il va demander un examen et on va regarder s'il y a une anomalie. Et quand on détecte ça tôt, il y a des chances de guérison qui sont vraiment, quand c'est tôt, vraiment la guérison peut être à 100%. Mais quand c'est tard, je vous dis, surtout qu'on on n'a pas tous les traitements de, de ce cancer. Si on détecte ça tard, c'est pas bon. Et quels sont les symptômes Maintenant, les signes, c'est toute anomalie. Tous ceux qui viennent d'arriver, un événement récent dans votre sein doit vous alerter. Y a-t-il un vaccin contre ce cancer Pour le cancer du sein, il n'y a pas de vaccin. Comme je vous ai dit, on ne connaît pas toutes les causes. Par contre, il y a des familles qui ont des risques de cancer du sein. Il y a un test génétique que dans certains pays plus développés, les gens font. Il y a des gènes qu'on appelle BRCA, c'est des gènes qui favorisent le cancer du sein. Ce qui fait que des gens qui vont vous dire que ma soeur a fait le cancer du sein, ma mère a fait, ma grand-mère a fait, mon père ou mon oncle a fait, vous allez voir des familles qui sont sujettes à des cancers du sein. Et chez ces familles, ce qui se fait, comme vous avez vu, il y a une actrice célèbre, Angelina Jolie, elle s'est fait enlever les deux seins parce qu'elle a le gène, elle a mis des prothèses. Parce qu'elle a le gène, elle a fait ce test, on dit qu'elle a le gène, donc elle a enlevé ses deux seins pour ne pas faire ce cancer. Parce qu'elle est presque sûre qu'elle aura ce cancer puisqu'elle a le gène qui favorise le cancer. Vous voyez, il n'y a pas de vaccin pour ce, ce cancer. Par contre, pour le cancer du col de l'utérus, je tiens à en parler du cancer du col de l'utérus. Un cancer qui fait des ravages et ça nous rend tellement tristes parce que c'est le seul cancer qu'on peut éviter. Vous voyez Comment Comment justement En faisant le dépistage chaque femme qui a déjà eu un rapport sexuel doit faire le dépistage, mariée ou non. Il n'y a pas de tabou pour ça parce que le cancer n'a pas de tabou. Quand il va ravager le col de l'utérus de cette femme, son utérus, puis va aller dans ses poumons, dans son foie ou dans ses os, ça, il n'y a presque rien à faire. Hein. Donc, le dépistage là, c'est ça qui prévient. Ça, ça peut sauver la vie. C'est l'objet des campagnes de dépistage que nous avons fait avec SOS Cancer, là, à l'intérieur du pays. Nous avons sillonné le pays pour faire ce dépistage-là. Nous avons dépisté plus de 3000 femmes. Vous voyez. Et ça, c'est le cancer du col de l'utérus. Il peut être évité. Un dépistage, ça ne fait pas mal. C'est quelques minutes. Et on peut le faire au centre de santé de la reproduction à Poudrière. On peut le faire gratuitement, du lundi au vendredi. Et avec ça, quand vous le faites et que le dépistage est bien fait, je dis bien sûr qu'il est bien fait par quelqu'un qui s'y connaît, un professionnel, et qu'il montre un résultat positif, on va faire d'autres examens et ça va nous dire que c'est une lésion précancéreuse. Donc une anomalie précancéreuse. Parce que l'avantage de ce cancer, pourquoi je vous dis qu'il est évitable, c'est parce qu'il passe des par des états précancéreux, des stades où avant qu'il soit un cancer. Quand on le détecte à ce stade, la femme n'aura jamais de cancer, puisqu'on enlève ces anomalies précancéreuses et c'est fini. Et on va la suivre régulièrement chaque année et elle ne fera pas de cancer. Est-ce gratuit C'est gratuit. Au centre de santé de la reproduction, c'est gratuit. Elle fait le dépistage gratuitement. Et quand vous entendez parfois des campagnes de masse dans les villages, là-bas aussi c'est gratuit. Parce qu'on prend toujours des sponsors qui vont payer les produits, les consommables pour faire le spéculum, les produits pour faire le test. L'avantage de ce cancer aussi, c'est qu'il y a un vaccin. Un vaccin qu'on fait aux jeunes filles les filles à 12 ans, 13 ans, 10 ans, on leur fait un vaccin. Et avec ce vaccin également, et le dépistage associé, ces femmes ne feront jamais de cancer. Docteur, est-ce qu'il y a des causes Le cancer du col de l'utérus, la cause, oui, la principale cause, je dis. C'est pas la seule, mais c'est la principale. C'est un virus, on appelle ça HPV, Human Papillomavirus, virus du papillome humain en français, qui s'attrape sexuellement. C'est pas un virus qui fait des infections, non. Comment Au cours du premier rapport sexuel ou même de certains attouchements sexuels, l'homme contamine la femme. L'homme n'a aucun symptôme. C'est pas comme les autres IST. Il transmet ce virus à la femme. La femme ne fera pas les infections comme vous connaissez. Elle va juste avoir ce virus au niveau de son col. Ce virus va attaquer une partie du col, progressivement entraîner des anomalies et sous l'effet d'autres facteurs, comme les, grossesses multiples, les grossesses à des âges précoces, des accouchements précoces et certaines utilisations de certains produits qu'on ne connaît pas, bien sûr, on ne connaît pas tous les produits. Beaucoup de choses, en plus de ce virus, vont entraîner des blessures, comme des petites blessures au niveau du col, qui, à la longue, au bout de certaines années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend des gens, va entraîner un cancer. C'est pour vous dire que ça évolue très lentement. Donc, si on dit que depuis l'infection de ce virus, peut-être au bout de 5 ans, 10 ans, la femme va faire ce cancer. Ça veut dire que si elle se fait dépister tôt, un an après son premier rapport sexuel, et qu'on détecte qu'elle a des traces de ce virus, on pourra la guérir. Parce que si on fait le dépistage régulièrement, chaque fois qu'il y a une anomalie, on enlève l'anomalie et c'est fini. Elle pourra continuer à garder son utérus, faire ses enfants tranquillement et sans avoir la peur de faire ce cancer. Mais il faut que ce soit vraiment régulé. Même la femme qui a ce virus-là n'est pas obligée de faire le cancer. N'est-ce pas paradoxal L'homme contaminer la femme. Pour l'homme n'a pas d'utérus, n'a pas de col de l'utérus. L'homme, il va juste transmettre cette infection-là, ce virus à la femme. Et c'est ce virus qui va au niveau du col de l'utérus pour lui entraîner ce cancer. Comment se fait-il que l'homme a le virus, lui Il l'attrape sexuellement aussi. L'homme attrape ce virus sexuellement. C'est un virus sexuellement transmissible. Soit, comme je vous dis, au cours d'un rapport sexuel, ou bien quand il y a des contacts sexuels, en tout cas. C'est comme ça que ça s'attrape. Parlez-nous du vaccin. À quel moment est-ce qu'on peut administrer le vaccin chez la femme et comment D'habitude, le vaccin, on dit que c'est une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Donc, mais il y en a qui l'ont fait également chez d'autres femmes. C'est un virus qu'on met chez des jeunes filles, des filles qui n'ont jamais eu de contact sexuel à 10 ans, 12 ans, on se dit que même si a les mariages précoce, ces filles n'ont pas encore eu de contact sexuel. Donc, c'est une série de trois vaccins qu'on administre et qui va prévenir contre ces virus, le virus, parce qu'il y a plusieurs virus HPV, il y en a plusieurs, mais on a ciblé principalement deux qui entraînent le cancer du col et on s'est axé surtout sur ces deux-là pour faire le vaccin. Pouvez-vous nous détailler le processus de vaccination Je pense que c'est trois doses à un mois d'intervalle. Ça veut dire qu'une fois le vaccin administré, la femme a plus de chances d'éviter le cancer Exactement. Elle est immunisée contre ce virus. Elle est immunisée contre le virus HPV, les virus là qui sont oncogènes, ceux qui entraînent ce cancer là. Surtout le 16 et le 18, c'est ces deux virus là qui entraînent le cancer du col le plus fréquemment. Elle est immunisée contre ces vaccins. Donc elle a bien sûr plus de chances de ne pas faire le cancer du col, mais il y a plusieurs virus, il y en a d'autres qui entraînent le cancer. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle est vaccinée, mais elle continue à faire le dépistage. Les deux associés, cette femme ne fera jamais de cancer du col. Le cancer, une maladie donc qui est en passe de devenir le premier facteur de mortalité au niveau mondial, selon le docteur euh, Ismouya, euh, chirurgien oncologue, le cancer du sein est le plus fréquent au Niger. Elle est interrogée par l'orato Ibrahim Gado. Je l'annonçais dans les titres, il n'est pas rare de voir des nouveau-nés abandonnés dans les rues, sur des ordures ou même parfois dans des caniveaux, un phénomène qui prend de l'ampleur au Niger. À côté de cela, il existe aussi des enfants abandonnés qui sont recueillis dans différentes structures d'accueil étatiques ou orphelinats. Il existe aussi euh, trois villages d'enfants SOS au Niger. Et qu'est-ce qu'explique la recrudescence de ce phénomène Comment vivent ces enfants abandonnés Autant de questions que nous avons posées au conseiller pédagogique national à SOS Village d'enfants au Niger. Il y a plusieurs raisons. Dans un premier temps, il y a, si vous voulez, les pesanteurs socioculturels. Il y a beaucoup de parents qui n'acceptent pas, par exemple, que leur fille tombe en grossesse et quand la fille tombe en grossesse, généralement, elle est abandonnée à son sort et les parents eux-mêmes ne la supportent pas. Souvent, elle-même, elle est chassée. Alors donc, vous conviendrez avec moi que quand elle va donner naissance à un enfant, soit elle va chercher à le supprimer ou bien elle va chercher à s'en débarrasser. Donc, euh, il y a ces pesanteurs socio culturels qui sont là. Il y a également peut-être au niveau de l'État des sensibilisations qui ne sont pas faites pour faire comprendre aux uns et aux autres leur rôle, et particulièrement les parents et aussi les ONG, surtout qui militent en faveur des droits de l'enfant. Elles doivent euh, en quelque sorte mettre l'accent beaucoup plus sur la sensibilisation, sur la prévention. Parce que généralement, les enfants qu'on rejette là, c'est d'abord euh, les enfants nigériens, si on peut le dire c'est le fruit de notre éducation. Donc, il va de soi qu'on doit au moins faire en sorte que ces enfants-là soient acceptés, soient intégrés dans la communauté. On, on pourrait peut-être citer le fait que le, Niger est un pays euh, qui, en tout cas, a un grand taux de musulmans, on parle de 99%. Est-ce que cela pourrait peut-être expliquer ces actes Non, l'islam ne dit jamais de tuer quelqu'un. Donc peut-être c'est une méconnaissance des préceptes de l'islam. Parce que, si vous voulez, l'être humain, c'est un don de Dieu. Il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir un enfant. Donc je pense que ce n'est pas un facteur religieux en tant que tel. Peut-être c'est une méconnaissance des préceptes de l'islam. Comme je le disais tantôt, en ce qui concerne les pesanteurs socio-culturels, ils sont nombreux donc ceux qui pensent que quand une fille donne naissance à un enfant qui est né hors mariage, sur le plan social donc il n'est pas accepté. Parce que c'est notre éducation qui n'a pas marché. Il y a les auteurs, c'est-à-dire les garçons, parce qu'on ne tombe pas comme ça en grossesse. On leur explique exactement ce qu'on doit faire. Je pense que si on fait un travail en amont, tous ces problèmes là ne vont pas arriver. J'allais en venir parler donc de la responsabilité, de la part de responsabilité aussi de ces hommes qui peut-être fuient les responsabilités. La fille, dans ce cas, n'est pas la seule à porter le fardeau. Oh oui, naturellement, si on peut le dire, nous sommes tous coupables, nous sommes tous responsables. La fille n'est qu'un produit de la société et par conséquent, les premiers responsables, si vous voulez, quand la fille tombe en grossesse, c'est d'abord ses parents, ensuite l'entourage et probablement les amis et connaissances avec qui elle vit. Donc, je pense que c'est une action concertée qui doit être menée, une action de sensibilisation où tous les différents acteurs doivent être impliqués et des explications doivent être fournies aux uns et aux autres pour que la fille ne se sente pas coupable, pour que la fille ne se sente pas responsable parce que elle est en quelque sorte, je dirais, coupable d'une éducation mal, mal réussie. Quand ils sont, quand on les retrouve vivants, que deviennent ces enfants? Bon, ça ça dépend parce que y a des structures d'accueil. D'abord des structures d'accueil sur le plan étatique, on a le centre d'accueil. Donc au niveau également de SOS village d'enfants, en fonction du nombre de places qu'on dispose, ces enfants-là peuvent être pris en charge totalement sur tous les plans jusqu'à ce qu'ils deviennent capables de se prendre en charge, surtout en ce qui concerne SOS. Donc au niveau des centres d'accueil, généralement, ils font ce qu'on appelle l'adoption. Mais en ce qui concerne SOS village d'enfants, les enfants vivent au sein des villages d'enfants SOS jusqu'à ce qu'ils soient capables de se prendre en charge, c'est-à-dire l'âge entre 23 jusqu'à 26 ans, et pris en charge totalement sur tous les plans. Et ces enfants qui sont au village SOS. Et comment arrivent-ils là-bas Pour arriver au niveau du village d'enfants SOS, c'est une structure organisée. Il y a déjà une demande qui doit être adressée. Et à partir de cette demande, le directeur du programme ou le directeur du village donc se réunit avec son comité. Et après cette réunion, il y a, si c'est possible, de mener des enquêtes. Donc, il y a un instance social qui doit aller faire les enquêtes pour savoir si réellement l'enfant doit être placés ou non au niveau du village. Et c'est après ces enquêtes, une fois fini, que le comité se retrouve pour statuer. C'est-à-dire que le village d'enfants SOS ne reçoit pas seulement les enfants qui sont abandonnés. Le village d'enfants SOS reçoit les enfants qui ont perdu la prise en charge parentale ou qui risquent de perdre la prise en charge parentale. Vous avez par exemple les enfants qui sont orphelins. Généralement, ces enfants, si on ne fait rien, ils peuvent être abandonnés sur le plan éducation. Donc donc pour prévenir cela, SOS, en fonction des enquêtes qui sont menées, pour voir la vulnérabilité de l'enfant, il peut être pris en charge au niveau donc du SOS Village d'enfants. Vous avez également les enfants des parents handicapés. Là aussi, on estime qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour venir aux besoins de l'enfant. Si le parent est d'accord, généralement SOS prend, peut prendre en charge cet enfant. Il y a également les enfants des malades mentales. Généralement également ces enfants, si on les laisse avec que la mère malade mentale, vous conviendrez avec moi que les différents droits des enfants, de ces enfants-là ne sont pas respectés. Vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre de places. SOS eh, Village d'enfants, aurait-il une limite dans ces actions Oui, donc euh, généralement, quand nous prenons les différents villages d'enfants SOS que nous avons, le village d'enfants SOS de Niamey, le village d'enfants SOS de Dosso et celui de Tawa, la capacité d'accueil, c'est 120 enfants. Donc, euh, il y a ce qu'on appelle les mères SOS qui prennent en charge ces enfants et dans chaque maison familiale, il y a 10 enfants. Si on a 12 maisons familiales, ça signifie qu'il y a 10 enfants par maison familiale. Donc ça fait 120 enfants. Sauf si maintenant les enfants dépassent 14 ans. Là, par rapport aux enfants qui dépassent 14 ans, ils peuvent aller vivre au foyer des jeunes. Et c'est quand ils quittent qu'on peut recruter d'autres enfants. En dehors de la prise en charge à long terme, il y a ce que nous avons appelé la prise en charge à court terme que nous faisons au niveau des programmes de renforcement de la famille. C'est-à-dire donc les familles qui n'ont pas les moyens de prendre en charge l'éducation de leurs enfants, SOS Village d'enfants les appuie. Et c'est ça qu'on a appelé programme de renforcement de la famille. Donc euh, au total, nous avons quatre programmes de renforcement de la famille. Et ces enfants qui vivent dans ces villages, euh, ils vivent comme dans un foyer normal avec, euh, vous avez parlé des mères SOS, comment ça se passe avec ces enfants C'est ça, donc au niveau des villages d'enfants SOS, il y a les mères SOS, donc dans chaque maison familiale, il y a une mère SOS une mère SOS, c'est cette personne de référence qui doit vivre en permanence avec les enfants. Elle constitue donc la personne de référence de l'enfant. C'est elle qui s'occupe de l'éducation de ses enfants. Donc, elle les prend en charge d'abord sur le plan euh, nourriture, sur le plan scolarité, parce que l'organisation paie la scolarité pour les enfants qui vont, par exemple, au collège. Donc, on a au niveau même de l'organisation, pour le primaire, et le jardin d'enfants. Donc, on a des écoles primaires et des jardins d'enfants. Monsieur massaï merci. Les pesanteurs socio-culturelles sont entre autres les raisons de la recrudescence du phénomène abandon des enfants, selon le conseiller pédagogique national à SOS Village d'enfants au Niger, monsieur Campo Marseille. 18 heures passées de 40 minutes. Parlons sécurité à présent. Poursuite ce mardi au Palais des Congrès de Niamey du colloque sur le Centre national d'études stratégiques de sécurité. Selon le recteur de l'université de N'Djamena au Tchad, Ali Abdourahman, plusieurs points importants se rapportant aux défis du continent africain en général et du Niger en particulier ont fait l'objet d'examens minutieux. Professeur Ali Abdraman, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le recteur de l'Université de Tchad. Vous participez à un colloque inaugural sur le CNES. Depuis que vous êtes là, euh, à Yamé, quels sont les points qui ont fait l'objet de discussions au cours de ce colloque euh, Il y a plusieurs points qui ont fait l'objet de ce colloque. Plusieurs sujets ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment les bonnes pratiques des centres et instituts de stratégie et de sécurité, la question de la sécurité et du développement, euh, les enjeux démographiques euh, et la sécurité au Niger. Euh, dans l'après-midi, il sera discuté de la question des conflits, de l'extrémisme religieux et de la paix au Niger. Donc c'est plusieurs sujets, mais tous portent sur les attributions du Centre national d'études stratégiques et de sécurité qui est une très bonne occasion pour le Niger et la sous-région vous êtes sans ignorer que ce genre de centre existe un peu partout dans le monde, mais bon, ici au niveau de la sous-région, euh, nous connaissons des problèmes de sécurité et en termes d'analyse prospective, en dehors de quelques études qui se font ça et là, nous sommes un peu pauvres. Donc ce centre vient à point nommé et c'est une très bonne chose. Professeur Ali Abdraman, quels sont les défis auxquels euh, la sous-région ouest africaine fait face actuellement Il y a beaucoup de défis, il y a des défis... Euh, humains, il y a des défis environnementaux, il y a des défis sécuritaires, il y a des défis liés euh, à la question de la démographie et de la migration. Il y a aussi un très grand défi, vous êtes jeune, vous le connaissez, c'est le défi du chômage des jeunes, qui est un des facteurs qui risque, si on ne le maîtrise pas, de devenir un des plus grands problèmes dans les 5-10 prochaines années. Et les insécurités étant liées étroitement à la question de l'employabilité des jeunes, ce problème va se poser. Il y a quelques années, la question du chômage des jeunes ne fait pas partie du registre de la sécurité. Aujourd'hui, je crois que la question du chômage des jeunes doit être traitée comme on traite euh, toutes les autres questions liées à la sécurité. Il y a des sécurités militaires, il y a des sécurités euh, géographiques, il y a des sécurités stratégiques, il y a des sécurités économiques, il y a des sécurités financières et je crois que toutes ces questions-là sont liées. Et le plus grand défi, à mon avis, c'est euh, aussi la question de la gouvernance. Vous êtes sans ignorer que euh, dans des espaces où euh, on ne privilégie pas la bonne gouvernance, où on ne privilégie pas la transparence. Euh, cela se traduit souvent par des frictions, par des conflits qui dégénèrent souvent en conflits violents. Il y a aussi d'autres défis et moi je les cite dans un contexte qui serait facile à comprendre pour vos, auditeurs. Le premier défi c'est l'ignorance, le deuxième défi c'est la pauvreté et le troisième défi qui est d'ailleurs une conséquence de l'ignorance et de la pauvreté c'est la violence. Voilà un peu résumé euh, les défis. Que faire pour y remédier euh, à court, moyen et long terme Une bonne gouvernance. Comme l'a dit ici un intervenant, il faut qu'on ait un leadership euh, confirmé. Il faut que les hommes politiques qui sont au pouvoir ou ceux qui veulent venir au pouvoir comprennent que c'est le bon leader qui fait les bonnes choses. Deuxièmement, il faudrait nécessairement mettre l'accent sur l'école, sur la formation. On peut construire une route, elle se détériore, mais quand on construit des vrais hommes, ils ne se détériorent jamais. Donc euh, je ne pense pas qu'il faille faire de l'économie dans la formation, parce que c'est à travers la formation, c'est à travers les écoles qu'on a des bons leaders, des leaders confirmés. Et puis il faudrait aussi que les gens euh, ne fassent pas de la politique pour de la politique, parce que franchement ici, euh, dans nos pays, le Tchad, le Niger, la population a besoin de très peu de choses et donc il faut se concentrer sur ces besoins de la population. Le premier besoin de la population, il est connu, c'est la sécurité alimentaire. Le deuxième besoin, c'est une sécurité, dormir le soir à la belle étoile sans être ravagé par euh, un bandit. Le troisième besoin, c'est éduquer ses enfants, c'est les soigner, etc. Et donc, il faudrait que le jeu politique soit un jeu qui soit euh, l'expression de nos réalités. Et puis euh, avoir de l'ambition et de la bonne intention pour son pays. Au Niger, je me sens comme si je suis au Tchad. C'est un peu le même sentiment qu'éprouvent les Nigériens lorsqu'ils sont au Tchad. Nos pays sont encore des pays très fragiles et il faudrait que nos responsabilités nous amènent à être en mesure de comprendre cela plutôt que de faire de la gymnastique très compliquée en voulant imiter un peu les Américains, les Français et tout. Revenons au réel. Occupons-nous de nos problèmes. Nos problèmes ne sont pas très compliqués. Je vous assure, les les problèmes ne sont pas très compliqués. Ce qui est compliqué, ce sont nos approches, parce que nous faisons du copier-coller. Et cela nous amène à nous éloigner de nos populations qui ont, comme je l'ai dit encore et je le répète, euh, une lecture très facile de la vie. Quand il ne pleut pas, il y a la sécheresse. Maintenant, quand il ne pleut pas, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut creuser des puits, il faut tracer euh, sur le couloir des transhumants un certain nombre d'infrastructures, etc., etc. Nos pays ont les mêmes réalités, vous venez là de le dire. En même temps que le Niger, le Tchad a été frappé par le terrorisme et depuis quelque temps, on n'entend plus du terrorisme au Tchad. Quelles sont les solutions que le gouvernement tchadien a pu apporter face au terrorisme Là également, je crois qu'il y a un général qui a été ancien gouverneur de région, il l'a dit ici dans la salle et moi j'ai beaucoup apprécié. Vous savez, quand quelqu'un vient vous attaquer, il faut lui répondre euh, dans la mesure de l'attaque. Hein. Il est armé, il ne vient pas pour vous saluer, il vient pour vous tuer. Et s'il vient vous tuer, vous devez vous défendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au Tchad. On ne ménage pas une amitié avec le diable. Professeur Ali Abdrahman, qu'est-ce que le Niger doit faire pour faire face euh, aux défis euh, sécuritaires euh, le Niger est déjà en train de beaucoup faire pour le défi sécuritaire. Le Niger a une très belle armée. Le Niger a un gouvernement démocratique. Le Niger a de belles institutions. Le Niger a de très bons cadres. Le Niger a de très bons voisins. N'est-ce pas Nous sommes un des bons voisins du Niger. Mais nous avons tous les deux la Libye qui est notre proximité et la Libye, comme le disait le ministre français de la Défense, la Libye est devenue le hub du terrorisme. Pour ce faire, nous devons mutualiser nos moyens, euh, échanger nos informations, intégrer un certain nombre de nos démarches et les viabiliser au service de la sécurité de nos euh, peuples respectifs. Boko Haram, pour citer Boko Haram, je crois que c'est une fourmi qui a été grossie. Euh, elle me rappelle un peu cette fourmi-là, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Et je crois qu'on euh, finira par dégonfler cette grenouille-là. Et le plus tôt sera le mieux. Je crois que déjà, euh, le travail a, commencé entre le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Nigeria. Je suis convaincu que d'ici euh, une année, deux, trois, Peut-être qu'on entendra parler d'autres formes de Boko Haram, mais le Boko Haram actif sur des motos, vous n'en entendrez pas parler le Niger fait face, au même temps que beaucoup de pays de la sous-région, au phénomène de l'immigration. Beaucoup de nos concitoyens meurent dans le désert, meurent dans les océans. Est-ce qu'au Tchad, euh, cette situation vous préoccupe aussi Cette situation nous préoccupe, mais euh, vous savez, euh, chaque pays a sa tradition, il y a des pays qui ont des populations qui euh, aiment voyager. Il y a des pays qui sont un peu euh, situés sur l'axe de cette migration. Le Niger fait partie justement des pays qui sont sur l'axe de la migration internationale. Ça, c'est, vieux comme le monde parce que c'est la route, euh, c'est la tripolitaine, c'est la transsaharienne, etc. Et je crois que les hommes ont toujours utilisé comme les fourmis euh, les mêmes pistes. Nous, on n'a pas ce genre de problème. Au Tchad, ce phénomène, même s'il existe, il est tourné plutôt vers l'Arabie saoudite, vers les pays du Moyen-Orient etc. Mais c'est notre faiblesse qui fait que les jeunes regardent l'horizon. Il va falloir redonner confiance aux jeunes. Nous avons beaucoup d'espace. Nous avons des potentialités dans l'élevage, dans l'agriculture. Nos pays sont vierges Qu'est-ce qu'on est en train d'aller chercher euh, chez des gens qui ne nous accueillent même pas Moi, honnêtement, il, va falloir peut-être même au niveau de la presse développer une certaine pédagogie de fierté africaine, de fierté nigérienne, de fierté tchadienne en disant aux gens qu'est-ce que vous allez chercher chez les autres C'est eux qui sont en train de venir chez nous. Regardez. Professeur, c'est votre credo aussi. Oui, sur notre credo, je suis en train de regarder au Niger. Je, me suis promené hier dans les rues de, Niamey. J'ai vu des Indiens, des Chinois. Si les Indiens et les Chinois viennent chez nous, restons chez nous pour accueillir les Indiens et les Chinois afin qu'ensemble on puisse voir qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez nous. S'il y a du sable, ils ne vont pas venir. C'est parce qu'il y a sous le sable, il y a quelque chose qui là-bas en train de venir. Donc nos gouvernements nos universitaires, nos responsables, nos hommes politiques sont interpellés pour recréer une certaine fierté au niveau de nos jeunes. Le désespoir, il faut savoir l'arrêter. Il faut une pédagogie pour que les jeunes comprennent que chez eux, il y a aussi des poules aux œufs d'or. Professeur Ali Abdraman, est-ce que selon vous, il faut repenser les relations entre nos pays africains et l'Europe, par exemple Absolument. Il faut le repenser, il faut le repenser. Euh, euh, selon le principe du gagnant-gagnant. Il y a un doyen de la faculté de, sciences économiques de l'université euh, Saint-Louis à Dakar qui a écrit un très beau livre, Afrotopia. C'est le doyen Sahar. Il dit qu'il faut finir avec euh, cette tendance de laisser les autres penser pour nous, réfléchir pour nous, tracer les chemins pour nous. L'existence de ces centres, la création de ces centres-là est une belle opportunité pour vous les journalistes et pour tout le monde réfléchissons par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ça, c'est très important. Professeur Ali Abdraman, on vous remercie. Salam alaikum. Réfléchissez par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Vous venez d'entendre le recteur de l'université de N'Djamena au Tchad, Ali Abdourahman. Il répondait aux questions de Mokhtar Hamado. Il était question des défis du continent africain en général et du Niger en particulier sur le plan sécuritaire autre analyse, cette fois-ci vue sous l'angle purement militaire dans le cadre de la poursuite des travaux du colloque sur le Centre national d'études stratégiques et de sécurité. Selon le colonel Abdou Oumarou, les pays africains en général et ceux du Sahel en particulier n'ont pas les moyens de leur politique. Colonel Abou Oumarou, bonjour. Bonjour. Depuis hier, quels sont les points qui ont fait l'objet euh, de discussion au cours de ce colloque Vous savez que c'est un colloque pour le lancement de, du CNES. Et je pense que beaucoup de points été vus. D'abord la création, la formation. Euh, il reste à, revoir peut-être comment l'armée. Et ça fait beaucoup l'objet de discussion. Et là, les discussions ont surtout porté sur euh, des tares. Des tares, c'est-à-dire de tout la formation de le contact vers la population, le développement et ensuite euh, la sécurité en général. Quels sont les défis, selon vous, que vous avez eu à constater au cours de ce colloque, les défis du moment par rapport au développement de la région ouest africaine les défis d'abord, euh, nous avons un problème de finances qu'il faut, euh, qu'il faut chercher, un problème de formation et puis l'adaptation euh, du personnel, aussi bien politique que militaire, par rapport à la situation actuelle. Nous sommes au 21 XXIe siècle, les données ont évolué. Nous ne sommes plus au moment d'une armée traditionnelle ou d'un début d'une politique. C'est la démocratie, il faut que tout le monde arrive à s'adapter colonel, euh, que faut-il envisager pour que nos pays restent en paix sans aucune forme de terrorisme c'est un peu difficile parce que nous n'avons pas les moyens de faire euh, notre politique de développement. si tous les Nigériens, si tout le monde arrive à avoir de quoi manger, avoir un espace où dormir, avoir un peu les besoins, satisfaire ces petits besoins, nous allons au moins se diminuer, diminuer les mouvements sociaux il faut une transparence et une bonne gestion. Colonel, quelle est la cause du terrorisme selon vous et le sous-développement, le phénomène d'immigration et autres Vous le savez bien, le problème c'est le développement, c'est le manque de finances. Nous n'avons pas les moyens de faire euh, de tenir notre population. Il faut que tous les gens se, se mettent au travail et puis qu'on puisse euh, former et avoir les moyens de mettre en place euh, des structures qui sont capables de maintenir les gens et de leur donner du travail. Est-ce qu'il faut repenser euh, nos armées pour faire face euh, aux défis sécuritaires L'armée est en pleine transformation. L'armée s'adapte vite. Dès qu'il y a une euh, transformation, l'armée prend ça de et, s'adapte. L'armée, l'armée s'adapte. Mais à l'heure actuelle, nous avons besoin d'une réadaptation par rapport à la situation actuelle d'insécurité. Ah, c'était là l'analyse du colonel Abdou Oumarou, interrogé par Mokhtar Amadou. Enfin, je le disais, nous parlerons également de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, qui a initié une série de formations techniques et professionnelles au profit des migrants en transit et admis dans le centre de l'OIM d'Agadez. Cette formation vise à assister les migrants en détresse pour mieux intégrer leur communauté d'accueil. La formation concerne 25 migrants de la sous-région. Explication du directeur du centre OIM Agadez Azawa Maman. OIM, euh, Organisation internationale pour l'immigration, a pour mandat de porter assistance aux migrants en détresse, aux migrants qui ont échoué dans leur itinéraire migratoire. C'est dans ce cadre que, au niveau des centres de transit, nous apportons assistance complète en nourriture, en soins de santé, en hébergement, en transport à ces migrants. Mais dans le cadre aussi euh, de notre basculement vers une migration de développement, OIM a initié un certain nombre de formations professionnelles allant dans le sens de permettre aux migrants en détresse admis au centre de transit de mieux intégrer leur communauté d'accueil une fois au retour de pays. C'est dans ce cadre que trois formations ont été lancées. La première formation a été eh, lancée il y a 17 semaines de cela. C'est une formation en fabrication de briques autobriquantes à l'aide de déchets plastiques et du sable. Cette formation a été initiée en collaboration avec euh, ONG Terre Solidarité pour venir en formation auprès des chaînes qui sont au centre de transit OIM et des populations d'Agadez jeunes qui aussi sont dans l'essence de chercher un lendemain meilleur. Donc nous sommes à la 17e semaine dans, cette formation. La deuxième formation lancée est la formation en bijouterie. Vous savez bien que la région d'Agadez, conformément à sa situation géographique, était jadis un carrefour de civilisation avec euh, des, secteurs de tourisme et l'artisanat qui prospéraient beaucoup de temps maintenant, on sent que le secteur artisanal et touristique n'est pas assez euh, développé compte tenu de tout ce que vous savez. C'est pour cela nous avons initié aller dans le sens d'aider ce secteur d'artisanat, notamment en appuyant une coopérative artisanale qui s'appelle Katanga pour venir en aide auprès des migrants en leur formant en comment faire la bijouterie. Donc cette formation englobe beaucoup de jeunes d'Agadez et des jeunes au niveau des centres de transit. Nous avons fini la première formation et les diplômes ont été remis hier à l'endroit des 50 jeunes qui ont suivi pendant deux mois la formation modulaire et technique en fabrication de bijoux. Ils ont eu un kit d'accompagnement qui va leur permettre euh, de s'intégrer dans leur communauté. La troisième formation qu'on avait initiée il y a une semaine de cela, c'est la formation en germe que vous voyez ici ici, cette formation en germe, en technique d'entrepreneuriat, est faite à l'endroit des jeunes migrants qui sont au niveau du centre de transit, mais aussi des jeunes d'Agadez en collaboration avec l'ONG Suisse Contact, qui, à travers son expertise, nous fournit des, formateurs experts qui sont en train de former les jeunes là en comment monter et gérer une entreprise individuelle ou bien collective. Donc, voyez-vous, OIM, conformément à notre mandat, nous sommes en train de réguler cette migration qui, une fois faite, va permettre aux communautés de départ de bénéficier des profits de cette migration. Conviendrez avec moi que euh, la majorité des jeunes qui quittent leur pays les quittent pas de gaieté de cœur. Les quittent parce qu'ils ont un problème d'intégration communautaire, ils ont un problème socio-économique. Et quand ils échouent aussi, il faut qu'ils retournent dans leur pays. Mais pour ne pas leur permettre de rentrer dans leur pays sans aucune formation professionnelle qui va leur permettre d'intégrer les communautés, l'accueil, OIM a bien voulu aider compléter l'assistance que nous faisons de façon traditionnelle avec ces paquets de formation qui va sans nul doute les permettre d'intégrer leur communauté et d'accueil. Euh, ça va les difficultés auxquelles vous êtes confrontés par rapport à ça Les difficultés qu'on rencontre sont les difficultés du fait que vous savez, les migrants, quand ils reviennent, ils veulent rentrer chez lui, il est très pressé de rentrer chez lui. Donc les, les formations que nous proposons doivent être des formations rapides qui ne prennent pas beaucoup de temps et c'est pour cela, et conformément à ce vœu des migrants, nous avons bien voulu étudier avec des spécialistes pour fournir des formations de qualité et aussi des formations en un temps record qui va leur permettre de profiter de cette formation au niveau du centre de transit et de continuer dans leur pays d'accueil avec tous les diplômes et tous les kits qui vont les accompagner, notamment au niveau de la formation et des bijoutiers. Ils sont au nombre de combien ces migrants que vous êtes en train de former Pour les formations germes, nous allons initier 11 sessions de formation pour une moyenne de 25 jeunes par session. Le directeur du centre OIM Agadez Azawa Maman, il est interrogé par Moussa Maman, notre correspondant à Gadez, au sujet d'une série de formations techniques et professionnelles au profit des migrants en détresse. Euh, C'est ici que prend fin euh, ce forum. N'oubliez pas, le rendez-vous est pris euh, pour un autre numéro demain à 18h15 et ce sera avec Mokhtar Amadou.